sommes lundi 5 février 2024, chers auditeurs. Bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez en direct à travers nos médias partenaires et sur le www.studiokalangu.org. À la présentation, je suis Habiba Ahmed. Avec moi, Mariam Adi. Bonjour Mariam, en forme ce matin Très bien Habiba, j'espère que nos auditeurs ont passé également un excellent week-end. En tout cas, nous allons proposer en ces débuts de semaine un programme bien garni à nos auditeurs de ces premiers numéros. Nous commençons en information avec les flèches d'information présentées par Rafika Attaher, suivie de la rubrique hebdomadaire consacrée aux questions de justice. Aujourd'hui, l'écho des régions nous amènera de la région de Tilaberi, plus précisément à Balayara, pour voir comment s'est fait la prise en charge à des enfants atteints de malnutrition. Il paraît que c'est gratuit. En effet, vous en saurez plus dans quelques instants. Alors, euh, nous poursuivons avec les chroniques Lotti et Espora. Mais avant tout cela, vous allez suivre l'entretien avec le préfet de Tessawa, M. Moumini Salifou. Avec lui, nous aborderons les questions sécuritaires dans le département. L'essentiel de notre émission, le Niger sur Kalangu, c'est surtout de la bonne musique nigérienne. Et eh oui, consommons local, comme on l'a dit. Chers auditeurs, restez à l'écoute et c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Tout de suite, les flèches avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Habiba, bonjour Mariam. Bonjour Rafika. Alors, hier, dimanche, c'était la journée mondiale de lutte contre le cancer. Au Niger, le cancer progresse selon les derniers chiffres officiels qui font état de 585 cas en 2002. Le ministre de la Santé publique, le médecin colonel Garba Hakimi, a indiqué que cette journée est un appel à tous les acteurs pour coordonner les actions de la lutte contre la maladie. Avec près de 10 millions de décès en 2020 à l'échelle mondiale, le cancer est l'une des principales causes de mortalité, tout pays confondu, fait savoir l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ensuite, euh, une épisodie de grippe aviaire s'est déclarée à Niamey. Dans un arrêté en date du 30 janvier, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou a déclaré que la ville de Niamey est infectée de grippe aviaire H5N1 hautement pathogène sur un rayon de 10 km. Toutes les espèces susceptibles de contracter ou de véhiculer la maladie visée sont placées sous surveillance sanitaire des services vétérinaires. Ces dernières appliquent appliqueront les mesures de prophylaxie prévues par la réglementation. Le secrétaire général de la région de Niamey, les maires des arrondissements communaux et les directeurs régionaux de l'élevage sont chargés de l'exécution de l'arrêté. Et enfin, dans ce flash, l'élection présidentielle au Sénégal prévue le 25 février prochain a été reportée. En effet, l'information a été annoncée dans un message samedi par le président Macky Sall à quelques heures de l'ouverture de la campagne. Il a évoqué dans son message un conflit ouvert entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel pour justifier ce report du scrutin auquel il ne se présente pas au terme de ses deux mandats légaux. Aucune nouvelle date n'a été annoncée par le chef de l'État sénégalais. Merci Refika, bonne journée. Nous l'avons annoncé à l'entame de l'émission, l'invité du jour de notre entretien est M. Mounissa Alifou, préfet du département de Tessawa. Il s'agit notamment du petit banditisme selon le préfet. Comment il remédie à cette situation Restez avec nous pour en savoir plus sur la sécurité dans cette zone. Pour l'heure, nous vous proposons d'écouter cette chanson de Maman Sani Mati intitulée Masutehia. C'est parti. Tahia qui les immigrants. Sani Mati est plus connu sous le nom de Admulmula, un surnom qui vient d'un de ses titres phares bien connus de méloman nigérien. Il évolue en solo dans un style tradit moderne conciliant les instruments ici de ses deux modes, notamment le gourmi, le kalangu, le ganga et le garia. Il maîtrise à plusieurs langues locales et s'intéresse à tout ce qui touche à la tradition nigérienne. Immigrants nigériens, nigériens, sénégalais, somaliens, maliens, congolais, camerounais, gabonais, ghanéens. Tous ceux qui vivent la tragique situation irrégulière en Occident. Pourquoi mettre autant de moyens physiques et financiers pour vivre dans la clandestinité Au risque de l'insécurité, avec comme finalité la violence, le refoulement, le rapatriement. Candidat à l'immigration internationale, clandestine, ton sort dans les îles Canaries me chagrine. Pourtant, Exodus, l'être humain est sacré, souverain. Dans nos pays, l'étranger est roi. Nous cohabitons dans la joie, l'amour, la paix sous de toi Aucune famine, aucune famine, aucune maladie, misère n'a pu ternir notre dignité. Et avec fierté, on marche vers le chemin tracé par notre destinée. Chers auditeurs, à présent, c'est l'heure de notre entretien. Dans cette première partie, le préfet de Tessawa nous fait un bilan de la situation sécuritaire. Et eh oui, c'est l'homme, monsieur Mounissa Alifou, préfet du département, sur le petit banditisme dans le vol des bétails, le cambriolage des boutiques qui sont enregistrés dans le département. C'est ce qui sort de notre entretien. Par rapport au petit banditisme ici à Tessawa, on enregistre euh, et quelquefois, n'est-ce pas, des vols d'animaux et souvent des vols dans les boutiques tard de la nuit où les voleurs viennent euh, casser les boutiques pour euh, enlever des marchandises. Donc ce sont des voleurs qui opèrent en bande très souvent. Ils interviennent souvent dans les localités voisines, c'est pas ici seulement à va Donc ils sont un peu organisés dans cette euh, pratique-là. On a ces cas-là par-ci, par-là. Quelles sont les principales mesures prises par les autorités pour faire face à ces problèmes spécifiques Donc par rapport à ce problème, nous avons deux types de patrouilles ici à Tessawa. Donc on est en train de procéder à leur renforcement et à choisir les, moments et les lieux les plus touchés par ce phénomène de vol. Donc on a la patrouille euh, urbaine qu'on fait intervenir à des heures très tardives et de façon constante. Nous avons aussi les patrouilles départementales, ça c'est par rapport au vol de bétail surtout, qui sillonnent les communes et, tout. Voilà, c'est les patrouilles qu'on met plus sur le coup et on attend aussi des populations qu'ils dénoncent partout où ils voient des signes de ces genres de malfrats. La collaboration entre les forces de l'ordre, les communautés locales et d'autres acteurs est-elle renforcée pour lutter contre les petits banditisme C'est une collaboration très importante parce que les forces de l'ordre à elles seules ne peuvent pas faire face à ce genre de problèmes parce que c'est des situations pour mieux les maîtriser, il faut de l'information. Et c'est là où les populations ne réagissent pas convenablement. Souvent, il y a même des situations où, quand c'est cambriolage, par exemple les vols de boutiques, quand ça arrive, donc les populations ne partent même pas déclarer. Donc c'est dans les rumeurs que les autorités apprennent cela. Et par rapport à cela, nous sommes en train de sensibiliser les populations pour que vraiment il y ait une réaction spontanée quand il y a des signes ou bien quand ils voient des actes posés dans ce sens ou bien quand des actions comme ça arrivent pour que les FDS puissent, n'est-ce pas, réagir avec promptitude et puis prendre en charge ces genres de problèmes. Y a-t-il des initiatives spécifiques en cours pour sensibiliser la population locale à la sécurité et pour encourager la participation citoyenne dans la prévention de ces crimes eh, Tout à fait. Eh, on a saisi à chaque fois que l'occasion nous est offerte pour adresser aux populations, n'est-ce pas, le souhait de les voir eh, apporter leur contribution dans cet effort-là de sécurisation de l'ensemble du département en donnant les informations, comme je l'ai dit tantôt là. Donc, on a toujours attiré leur attention. On, insiste à chaque fois qu'on a l'occasion aussi pour les interpeller sur cela. Donc, euh, c'est vraiment important qu'ils comprennent cela. La sécurité se fait avec eux pour eux. Donc, les forces de l'ordre à elles seules ne peuvent pas permettre de régler ce problème tant que la population n'apporte pas son appui. Et nous avons toujours demandé dans nos interventions, quand l'occasion se présente, à ce que eh, les populations comprennent cela et puis jouent leur partition pour que la sécurité au niveau de Tissawa soit vraiment une réalité. Quels sont les défis majeurs auxquels votre département est confronté dans la lutte contre le petit banditisme Merci madame. Ces bandits qui opèrent eh, dans notre localité sont le plus souvent des gens venus d'ailleurs. C'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont aussi organisés, qui sont très mobiles. Ils n'interviennent pas seulement ici. Souvent, quand ils font leur vol, ils se transportent dans les localités voisines où ils font les mêmes actions. Donc, vous voyez, quand on doit investiguer pour des gens qui ont déjà quitté la place, c'est un défi important. Chers auditeurs, avant de continuer notre entretien, nous allons marquer une courte pause musicale. Le prochain son que nous allons savourer, c'est un featuring entre Rascasse de la formation du démocrate et Benji. Ça donne tout simplement visage, village positif. On écoute ensemble. ça comme ça village C'est démocrate, Yes, Yes, yes. Let's go. see. Darwa muhimu famii maniraga. raaga. Ayine soota gadi raaga. Eenyi haala naan famii lidaa joondaa. Saata gadi soondaa. Darwa muhimu famii. Voilà, chers auditeurs, c'était là les titres Village Positif chantés par Razgaz et Benjin. Un morceau très dansant. J'espère que tu kiffes le son. Eh oui, Habiba, j'adore cette chanson. J'espère que nos auditeurs et auditrices apprécient également. Poursuivons notre entretien dans cette seconde partie. Monsieur Mounissa Lefou revient sur les différentes méthodes appliquées pour lutter contre le banditisme. On écoute. Les solutions, au vu de la nature de ces types de bandits, c'est la collaboration avec euh, les localités voisines et leurs euh, services euh, de sécurité et aussi et le niveau régional en termes de renseignement parce que souvent comme je l'ai dit c'est des gens qui opèrent un peu partout donc euh, si on a les informations sur leur façon de procéder ça va aider à mieux les prendre dans leur action donc on échange beaucoup avec les autres localités sur le plan des renseignements et des informations. Et souvent, quand eh, on identifie des malfrats ou des bandits, on essaie aussi de signaler cela aux autres euh, localités pour euh, la recherche ou pour euh, les arrêter. Donc voilà vraiment la façon dont on procède dans la coopération pour vraiment arrêter le petit banditisme au niveau de Tessawa. Existe-t-il des programmes de réhabilitation ou de réinsertion pour les individus impliqués dans le petit banditisme afin de les réintégrer dans la société Parmi ces bandits, il y a beaucoup qui viennent d'ailleurs. Il y a aussi des bandits qui sont locaux, surtout ces revenants des sites miniers, là, ceux qui partent euh, en exode à la recherche de richesses. Et souvent, à la faveur de la fermeture de ces sites, ils reviennent désœuvrés ne rien et ça leur donne des idées d'aller dans le banditisme. Donc beaucoup de programmes ont été développés ici à Tessawa pour pouvoir prendre en charge eh, cette catégorie de personnes pour les occuper et vraiment leur donner une chance de se retrouver dans la vie au lieu d'aller se donner à des actes de banditisme. Souvent quand ils le font, c'est parce qu'on leur propose ça. Si la personne n'a rien à faire, elle cède et puis elle devient ce qu'elle est à travers le programme, beaucoup de jeunes sont occupés dans les activités génératrices de revenus. Ces programmes aident aussi à sensibiliser ces jeunes, surtout sur le plan de la citoyenneté, pour qu'ils comprennent que certaines choses ne sont pas à leur faveur ni à la faveur de la communauté. Donc ces programmes existent bel et bien et nous mettons un accent sur leur euh, multiplication au niveau du département de Tessava pour que ça puisse toucher le maximum de jeunes et préserver le département, la communauté, la société, le même, de laisser ces jeunes aller tomber dans des situations comme ça de banditisme dont on peut s'en passer. Comment les citoyens peuvent-ils contribuer activement à la sécurité de la région et participer aux efforts de lutte contre le petit banditisme Nous l'avons déjà dit, on attend beaucoup de citoyens. Dès que un signe quelconque se pose dans son entourage qu'il rapporte ça aux autorités et au FDS pour pouvoir prendre à temps la situation. Parce qu'on sait que en matière de sécurité, quand un problème reste inconnu, il est difficile de le solutionner. Donc sur ce plan, vraiment, on, attend encore beaucoup de cette population. Très souvent, c'est pas le cas. Très souvent, on les sensibilise beaucoup sur la question qu'ils doivent aider dans les informations, en remontant les informations, mais c'est pas le cas. Et je profite ici de votre antenne pour encore lancer un appel à l'endroit des populations de Tessava pour que dès que eh, une action ou un truc suspect se passe, qu'ils rapportent ou bien qu'elle rapporte ça aux autorités pour que on puisse réagir dans les temps. C'est vrai, ils font de leur mieux, mais c'est pas suffisant. On attend encore du et sur ce point-là, si euh, on ne collabore pas efficacement, le problème va rester entier et, ça va toucher beaucoup de jeunes et les conséquences seront vraiment énormes pour le développement au niveau local et même national. Voilà, c'était notre entretien avec le préfet de Tessawa sur la situation sécuritaire dans les départements. Retenez que contre le vol de bétail, les cambriolages des boutiques et autres, selon le préfet, des efforts sont en cours avec les communautés et les FDS pour endiguer le phénomène. Il y a eu même des programmes de réinsertion des individus impliqués afin de les réintégrer dans la société. C'était lors d'un reportage de la zone à qui c'est que cette interview a été réalisée. On prend pause et on juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h25 c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de notre émission Le Niger sur Kalangu consacrée à la justice. Oui, la rubrique justice va aborder la question des preuves. Mais qu'est-ce qu'une preuve en droit Lorsque vous voulez prouver un fait, une situation, vous pouvez apporter la preuve à partout moyen. Hein. SMS, courrier électronique, capture d'écran, photographie. Vous pouvez par exemple prendre une photo d'un SMS puis la faire constater par un commissaire de justice, anciennement ici de justice. Donc, nous vous proposons les modes de preuve en droit. Tarnan Foudé Ahmed a s'est entretenu avec le juriste maître Abdurrazak Mahazou. Maître, quels sont les différents modes de preuve On distingue les modes de preuve parfaits des modes de preuve imparfaits. Les modes de preuve parfaits sont considérés comme fiables et s'imposent au juge qui est tenu de les accepter. Quant aux modes de preuve imparfaits, ils sont considérés comme moins fiables et ils sont donc soumis à l'appréciation souveraine du juge qui n'est pas tenu de les accepter. Quels sont les modes de preuve parfaits les modes d'épreuve parfaits sont au nombre de quatre. On a l'acte authentique, qui est l'acte qui a été dressé avec les solennités requises par un officier public. Par exemple, les notaires, les juges de justice, les maires qui ont compétences et qualités pour instrumenter. Il y a aussi l'acte sous sein privé, qui est l'acte signé par les partis sans intervention d'un officier public. Il y a également l'avis judiciaire, qui est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Et la vie judiciaire est fait au cours d'un procès. Mais il faut dire que la vie judiciaire ne lit pas le juge en matière pénale. Enfin, il y a le serment décisoire. Le serment décisoire, c'est l'affirmation solennelle par une partie d'un fait qui lui est favorable et le serment décisoire est déféré par une partie à l'autre pour en dépendre suivi du procès. Nous voulons aussi savoir quels sont les modes de preuve imparfaits. Les modes de preuve imparfaits sont au nombre de trois. Il y a la vue extrajudiciaire. La extrajudiciaire est celui qui est fait en dehors d'un procès. Il y a le serment supplétoire. Le serment supplétoire, c'est le serment qui est déféré d'office par le juge à l'une des parties. Il y a enfin les preuves testimoniales ou les témoignages. Donc les témoignages, c'est une déclaration qui est destinée au juge par une personne et qui a connaissance des faits dont eh, la preuve doit être établie. Comment se traduit l'admissibilité des preuves L'admissibilité des modes de preuve euh, dépend de la nature du litige. En matière civile, eh, le principe, c'est la liberté de la preuve. La preuve peut donc être et, euh, apportée par euh, tout moyen, sauf dans les cas où euh, la loi en dispose autrement. Et le principe de la liberté de la preuve est également consacré en matière pénale et en matière commerciale. Maître, dernière question, nous voulons savoir à qui incombe la charge de la preuve dans un procès. La charge de la preuve pèse en principe sur le demandeur. En matière civile, il faut rappeler que le demandeur n'est pas nécessairement celui qui initie le procès. Le demandeur est simplement celui qui invoque une prétention. Donc chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès ou au rejet de sa prétention. dans la procédure inquisitoire, par exemple, en matière pénale, où c'est le juge qui maîtrise le procès, il appartient donc au juge de rechercher lui-même les preuves. J'espère que cet échange vous a été très utile pour que désormais, en cas de besoin, vous sachiez ce qu'il faut garder comme preuve. Et maintenant, faisons un autre tour en musique avec le son Mata du groupe Soga. que vous êtes en train d'écouter du groupe Soga, une chanson qui valorise la femme et met la femme au devant de la scène. Le groupe Soga est un groupe qui représente la richesse culturelle et intellectuelle du Niger. À travers ses chansons, le groupe Soga inspire les filles et les femmes. les titres du groupe Soga. Habiba pour le code de région, direction Tilaberi, plus précisément à Balayara. Nous profitons pour faire un coucou à toute la population de Tilaberi qui nous écoute en ce moment sur les radios Tébonse et Bani FM. Nous partons à la découverte du centre de réhabilitation et d'éducation nutritionnelle intensive appelé CRENI. Ce centre joue un rôle vital dans la lutte contre la malnutrition infantile. Pour plus de détails, écoutons le reportage réalisé par Adama Dawaki. Nous sommes au centre de réhabilitation et d'éducation nutritionnelle intensive. Nous trouvons sur place Zenob et Rekia, toutes deux viennent de villages loin de Baleyara pour la prise en charge de leurs enfants souffrant de la malnutrition sévère. Elles sont satisfaites du service. aizan zan kana ka yanda kan shi maka ne wallahi safra kai diya irko dai mal barka dan wallahi man tai ga noru ina safar zam kana kan da man takin nai kan da kana kan da su binga ban sar sun gana a agogin ga forfote so han ba ngwar dina no nwa ngwari don bin dai kunna so han da agogo gunda kar sa shi ga gunda kar wallahi alhamdulillah dai ko kiya kai kan da nebo ga hamodin tali ga hamo ga kwaran ga haikulu son binda alhamdulillahi loktar ay go gir safar ay go di dama ay gir bihin hin kuna wallahi go sabu himanta a riga fi su bidin layi go safar san da matka ga himanda safarai hannan go tilse kigi ga gaza riga igo go wa kar ka irse da zan ka kwarni makai yi musan bu kwarni giri ha wa kuli ka kiri doktor te ko wallahi docteur Abdul Aziz explique le processus de prise en charge des enfants qui sont admis au CRENI les petits de 6 à 59 mois qui présentent euh, des signes de complications associées à la malnutrition. C'est eux qui sont admis ici et que nous prenons en charge. Les enfants sont hospitalisés d'emblée. Nous avons des lits et il y a au moins trois phases selon la prise en charge. L'objectif premier, c'est de lever les complications que l'enfant présente parce que la malnutrition se guérit sur un long temps. La prise en charge, elle est complètement gratuite. Les médicaments, euh, les moustiquaires imprégnés, les couvertures, des pots, des gobelets, vraiment tout ce dont l'enfant a besoin pour guérir le plus tôt possible. Selon Dr Bourema Abdelaziz, une fois que les enfants atteignent un état nutritionnel que les agents de santé jugent satisfaisant, ils sortent du centre. À la sortie du centre, les mamans bénéficient de quelques rations pour les accompagner dans la convalescence. Avant même euh, le CRENI, le programme alimentaire mondial disponibilise euh, des céréales, tantôt du mil, du niébé et aussi d'autres types de céréales. En fonction de l'état de l'enfant et du niveau socio-économique, on accompagne la maman et aussi une fois euh, l'enfant guéri, quand il sort, avec les partenaires là, il y a un frais forfaitaire qu'on donne pour euh, le retour des mères. Parfois, on calcule en fonction de la distance du village ou bien on décide d'un frais forfaitaire en fonction de ce que euh, les ONG nous disponibilisent. il n'y a pas de prix fixe. Pour l'admission, quel que soit l'endroit, si c'est l'aire de santé de Baleara. Nous avons la possibilité d'envoyer l'ambulance qui part chercher l'enfant gratuitement pour l'amener ici. C'est un frais pour les accompagner pour le retour. Cependant, selon les précisions du médecin, le suivi des enfants ne s'arrête pas là. Les agents de santé continuent de surveiller leur croissance et leur état de santé jusqu'à un certain temps pour s'assurer de leur récupération complète. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, la page sport avec notre chroniqueur sportif Hassumi Grouza. Bonjour Grouza. Bonjour Abiba, bonjour Myriam. Bonjour Grouza. Bonjour. Grouza, la deuxième édition du championnat régional d'athlétisme de Niamey s'est déroulée dimanche au stade général Sénoukountiou de Niamey. Oui, environ 200 athlètes de Niamey, la capitale du Niger, se sont rivalisés sur la piste du stade général Sénékountié de Niamey dans toutes les catégories. Objectif de cette euh, activité est la mise en chambre des athlètes de Niamey. C'est dans le but euh, de les encourager à redoubler d'efforts pour les compétitions à venir. Du foot, Gourouza, on connaît à présent les demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Euh, le Nigeria euh, s'est qualifié pour les demi-finales devant Angola sur le score d'un but à zéro. Les Super Eagles du Nigeria croiseront le fer avec euh, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud le mercredi prochain, plaise à Dieu, dans l'après-midi aux environs de 17h heure de Niamey. La Côte d'Ivoire a arraché sa qualification, il faut le rappeler, au dernier carré, au dépens euh, du Mali, 2-1 après prolongation, 1-1 au temps réglementaire. La Côte d'Ivoire affrontera la République démocratique du Congo, qualifiée vendredi 3-1 au dépens de la Guinée-Conakry. Merci Grouza pour toutes ces informations. Passez une excellente journée. Merci à vous. Nous sommes à plus de la moitié du temps de notre émission, donc passons au portrait du jour. Oui, il s'agit de Ibrahim Ali, un jeune informaticien de 23 ans. Il a été initié par un migrant tchadien installé à Arlit. Aujourd'hui, Ibrahim Ali fait partie des renommés dans la ville. Voici son portrait signé Gungu Mahama. Ibrahim Ali matashi ne ɗan shekara 23 da ya samu horon aikin kwamfuta da gyaran salula daga wani bakon habre ɗan asalin ƙasar Chadi da ya zo girku a garin Arlit yau da shekara takwas. Mai gidan nasa Mahmud Atamar matasa da ya baiwa horo sun kimanci fiye da matasa goma wa'anda yau suke da shagunan kansu ga bayanin da ya yi a kai. Ça fait presque huit années. Je peux pas vous compter, mais ça dépasse les dix. Maintenant, chacun, il a sa boutique, et travaille. Il aime le travail, donc il va aller très loin. Il y a des gens qui je apprendre, mais ils m'ont dépassé. Et c'est ça que moi je veux. Je continue, Inch'Allah. Shekara uku ke gada matashi Ibrahim Ali ya buɗe shagon kansa. Ya ce, hakika an dai mutum ya sa gaskiya kuma ya yi shi ba tare da zalun ba, ba ila shakka zai ci ribarsa. Mu saurare shi. Ina da yan diplomomi daidai gwalgwado wasu kan aikin ga. Informatik, harkar sezi da dekodar insola. Aiki ne wanda inda ka sa gaskiya a cikin haraka. Sha Allah komi kake so za ka samu, za ka ga ribar shi. Abdulaziz Sale da muka tarda a shagon Ango Ibrahim Ali gadan-gadan bisa aiki na ɗaya daga cikin matasan da Ibrahim Ali ya koya ma aiki. Ya eh, gaskiya na koyi shi ne a nan garin Arlit. Ga shi na mai gidanmu shi ne koya mana aiki na kwamfuta ga da kotokofi da kuma telefon an tashi ga wani program hakan ga muna daidaita shi. Shi game da aiki wanga ana aikata riwo tara an wani ya kama telefon wanda kamar ma yana da wani gyara wanda baka san da shi ba kuma ya ce maka ga matsalar da gare shi. Sai ka yi gyara ka gani kai matsalar da aka ce ka yi ba ta bace ce ba wani lokaci a haka na ana samun matsala amma mun da haka ne gaskiya alhamdulillah aiki yana taya daidai ibrahim ali yau ya kasance cikin ɗaiɗayan rukunin matasa masu aikin kwamfuta da gyaran salula a nan birnin arlet ya sa kira ga matasa na su koyi aiki su bar zaman kashe wando gaskiya zama kashe wando ba zama ba ne kuwa tunda shine zai sa ka kusa abubuwan da bai kamata kamar su shaye-shaye da sauransu C'était le portrait réalisé par Gungu Mahaman. Chers auditeurs, un dernier tour en musique avec le son Amana d'Aradika Soldier, une manière de boucler notre playlist. Goga Music, Berino. de l'artiste radique Solda. Voici la rubrique Affairage Loti. Le Loti du desk femme du studio Kalangu de ce jour porte à l'utilisation des produits qui provoquent le sommeil. En effet, il y a des mamans pour baguer à certaines tâches, donner des somnifères à leurs enfants pour les endormir. Les risques de cette pratique sont nombreux. Écoutons Rekia Arimi, Samira Rouafi et moi-même. Affairage, affairage, affairage, affairage. le travail est fini, je peux rentrer tranquillement à la maison, me reposer. La journée sera longue demain. Sahura, Sahura, va me réveiller ta petite soeur, on va partir. Tanti, elle dort encore, j'ai tout fait pour la réveiller en vain. Ah ah ah, comment ça Maria, Maria, Maria, tout. Elle dort profondément, hein Bon, je vais la mettre au dos. Elle se réveillera à la maison. On y va. Maman, tu rentres déjà oui, je suis trop fatiguée. À demain pour le baptême. Marie dort encore. Depuis que vous êtes arrivée, elle ne fait que dormir. J'espère qu'elle va bien. Oui, elle se porte bien. Je lui ai donné un somnifère pour que je puisse aider dans les préparatifs du baptême de demain. Sinon, elle va me déranger. Mais je crois que j'ai un peu abusé sur la dose. Quoi Tu donnes des somnifères à ta fille pour qu'elle ne te dérange pas Et pourquoi tu l'as accouchée Tu vas détruire la vie de ton enfant pour rien détruire sa vie juste en la faisant dormir. Pourtant, le sommeil est bon pour la santé. Ah, je ne vois pas en quoi je lui ai fait du mal. Tu me fais rire. Hein. Tu ne vois pas en quoi tu lui fais du mal. Tu ne sais pas que c'est juste quand une personne a un trouble de sommeil qu'elle peut prendre des somnifères. Est-ce que c'est le cas de ta fille Non, elle dort normalement quand il le faut. En fait, je lui donne ça quand je vais dans des rassemblements. La nuit, je n'ai pas de problème avec elle. C'est grave ce que tu fais. Ce sont généralement des enfants qui pleurent la nuit ou ne dorment pas tôt, empêchant la famille de se reposer, à qui on donne des somnifères. L'usage des somnifères n'est pas sans conséquence sur la santé. L'administration des somnifères est fortement contre-indiquée avant l'âge de un an, alors que ta fille n'a que six mois. En plus, ça doit être préconisé par un médecin. En tout cas, jusqu'à présent, elle n'a eu aucun mal avec ça. La prise du somnifère paraît efficace dans un premier temps, mais à long terme, les risques sont nombreux. Une consommation régulière de somnifères, surtout chez les enfants, est accompagnée d'un certain nombre de risques qui l'emportent probablement sur les avantages. Hé, hey, Halima, en fait, je lui donne ça seulement quand on sort. Donc ce n'est pas beaucoup. Seulement quand on sort, ce n'est pas beaucoup. Tu m'énerves, hein? <laughs> Halima. En plus, tu ris. <laughs> Tu ne sais pas que l'intention régulière et à long terme des somnifères a un certain effet secondaire potentiellement grave sur la vigilance, l'apprentissage et la mémoire. À court terme, l'utilisation des somnifères provoque une baisse de la concentration et de la vitesse de réaction, et à long terme, des maux de tête, fatigue, vision trouble, sensation de somnolence ou de vide, faiblesse et fatigue musculaire, vertige, etc. Et j'en passe. Hum, tout ça là, c'est trop. Tu es sûr de ce que tu me dis tu oublies que je suis dans le domaine de la santé Vraiment, si c'est comme ça, je crois que je vais arrêter. C'est dans ton intérêt en tout cas. Écoute-moi, certaines adaptations peuvent résoudre ton problème. Si tu veux que ton enfant dorme, mets-le dans un endroit calme, détendu et relaxant avant. Chez certains, prendre un bain s'avère bénéfique. C'est mieux que de lui donner des somnifères. J'ai bien compris, Halima. Tu vois, Maria dort toujours. Et avec tout ce que tu viens de me dire, je suis inquiète. J'espère que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai décidé d'arrêter que les problèmes vont commencer. Non, je pense que ça ira. Ne t'inquiète pas. Mais il ne faut plus recommencer, surtout pour des futilités comme ça. Du genre non, je ne veux pas qu'elle me dérange. Inch'Allah, je te promets, Halima. Merci bien les filles pour le conseil. Passons à la rubrique culture linguistique en anglais et ça sera avec Samira Oumourou. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire culture linguistique. Hello ladies and gentlemen, welcome to your favorite show, culture linguistique. Depuis un moment, nous assistons à un nombre important de démantèlements de réseaux, de bandes de vol à main armée, d'agressions à l'arme blanche ou de saisie de drogue d'où une importante hausse du taux de criminalité. Vous l'avez sûrement deviné, le mot du jour est criminalité. Que veut dire criminalité en anglais En anglais, le mot criminalité se dit criminality. Criminality is the fact of being illegal or illegal activities or behavior. Qui veut dire la criminalité, c'est avoir des activités ou des comportements illégaux. Prenons un exemple. The rise in criminality has become a major concern for law enforcement agencies. The rise in criminality has become a major concern for law enforcement agencies. That means l'augmentation de la criminalité est devenue une préoccupation majeure pour les organismes d'application de la loi. Un second exemple. The increase in drug abuse has been linked to the rise in criminality qui signifie l'augmentation de la toxicomanie est liée à l'augmentation du taux de criminalité. Pour lutter contre la criminalité, nous pouvons faire recours à de nombreuses fonctions, notamment la police et les associations. Ladies and gentlemen, that's all for today. Let's work with police to reduce criminality for health society. It was a pleasure being with you. Join us next time, same time, same week. Bye bye. Chères auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes nombreux à nous écouter sur les ondes de nos radios partenaires. Écoutons les messages de quelques auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. alaikum studio kalangu mataran kan matu murade mat farga madalla shams tayar no kan godo so aran sigiro dai no kanes assalamu chers auditeurs de la radio kalangu ravi de vous retrouver ce matin euh, en très bonne santé et je souhaite que tout le monde se porte bien je vous souhaite tous euh, du bien, rien que du bien. Passez une agréable journée de lundi. Ni ne Mamman Awal Isuhu na Koni. Shirye-shiryen ku yana ƙayatar da mu sosai saboda ana wayo mutane da kai. Akwai abubuwan da aka yi sosai cikin ƙasa ko cikin al'amuran mahukuntan ƙasa ga waɗanda mutane ba su da labarin su. To ta hanya ko kuma gaskiya ana ƙaura sosai sai dai mu yi muku addu'a ubangiji Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa kuma Allah ya kama muku dan muna jin daɗin al'amuran ku sosai gaskiya talakawa suna kansu yana wayewa bisa ga shirye-shiryen ku dan in ba ta hanyoyin ku ba wasu abubuwa ba talaka bai da iya sanin su bai iya sanin inda ƙasa take kuma bai iya sanin inda za ai ma yokici bubakar halidu kan goma dawa iro dai studio kalongwir goma ne gungumo hankali ne dai girta yau kan woka dai studio kalangu ko ŋwaray day amteyen day kul se gomni irgoga ma isiro kani gumgum wallahi igoga cimcimo irwo hankan kani irgoga ma hay kul kante laborano hadde nan studio kalongo hangan to kul ne mara igada mat kul no haya ge manda ni mara igada dan iga cimo cimo ara gumo gi fonno de sabi ne wondi studio kalongo ga Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. de cette émission de ce lundi 5 février 2024. Vous étiez en compagnie de Haïba Hamed et moi-même Maria Rendez-vous demain à la même heure. À l'édition, c'était Adam Adawaki et Rila Toussoumana. Et la technique a été assurée par Issa Lawali. Si vous ratez l'émission, pas d'inquiétude. Allez-y dans notre site web www.studiokalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu pour écouter l'intégralité de l'émission. Bonne journée à vous.